forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 16 mars 2018, euh, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par L'attaque lundi soir aux environs de 21h du poste de la gendarmerie du village de Goubé, situé à 40 km de Niamey, dans la commune rurale de Karma. Au front social, notons cette décision d'exclusion de cinq étudiants par le conseil de l'université de Niamey. Hier après-midi, l'Union des scolaires nigériens et les trois autres sections, à savoir Lienoun, l'UEPTN et la section lycée et collège ont, dans une déclaration rendue publique, condamné et rejeté cette décision. Front social toujours, le collectif des organisations de la société civile qui proteste contre la loi de finances 2018 a décidé mercredi de sursoir au mot d'ordre de la journée ville morte prévue hier, prévue pour hier jeudi 15 mars sur toute l'étendue du territoire national. Tilaberi n'a pas respecté cette décision du collectif. Après l'Algérie, le ministre français de l'Intérieur euh, Gérard Colombe euh, séjourne depuis mercredi à Niamey au Niger. Ce vendredi, il participe à une réunion internationale sur la coordination pour la lutte contre les réseaux de trafiquants de migrants avec les représentants des pays sahéliens, africains, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et Libye euh, européens la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Avec nous en ce moment pour développer euh, ces thèmes, Giafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Giafar Maman, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Alhaji Suleiman, euh, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Alhaji Suleiman Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Issa Madougou du groupe de presse radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Trois gendarmes tués et un blessé, c'est le triste bilan de l'attaque du poste de la gendarmerie de Goubé, une localité située à 40 km de Niamey et dans la commune rurale de Karma. L'attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés lundi soir aux environs de 21h. Ali Seibou, maire de la commune rurale de Karma, joint au téléphone par Tarnan Foudé Ahmed. Il y a eu une attaque euh, d'un poste de la gendarmerie. Il y avait six éléments sur les lieux. Sur le site, il y a eu trois morts, malheureusement. Euh, il y a un blessé, il y a deux rescapés. Donc, était sorti sorti dame. Donc on a fait une visite de lieu, on a rassemblé la population et puis on a donné des conseils en ce qui concerne le partage de l'information entre les agents de sécurité, les autorités et la population elle-même. Et l'état d'esprit des populations euh, des villages de Goubaï Bon, vous imaginez dans un village qui n'a jamais connu la euh, situation, ils étaient euh, mobilisés autour de leur chef de village, ils ont le moral. On sait qui est sûr, les assaillants sont pas attaqués à la population, ils ont juste attaqué le poste qui était à l'entrée du village. encore une autre attaque, cette fois-ci à seulement 40 km de Niamey. Comment l'expliquer Oui, euh, je pense qu'il y a deux, peut-être euh, deux appréhensions qu'on peut faire de, cette attaque. La première, ça, annonce euh, les mesures déjà prises sur les, principaux, les principales localités euh, qui subissent les attaques des, groupes armés. Et donc c'est normal qu'ils déploient euh, leur stratégie sur d'autres endroits qu'ils estiment être moins sécurisés. Euh, la deuxième euh, appréhension, c'est comment des, des hommes se sont faufilés jusqu'à 40 km de, de, de, Niamey. De Euh, de loin des zones euh, bien contrôlées où la, circulation euh, sur un à roue est, interdite. Ça veut dire que donc il faut s'interroger sur maintenant le nouveau type de, de, ou la nouvelle stratégie, le mode d'opération de, mouvement armé. Euh, est-ce que c'est les mêmes qui traversent, qui nous viennent du Nord Mali pour venir euh, euh, attaquer certaines positions frontalières, alors que cette fois-ci, on a comme si la zone, euh, la principale zone qui est concernée par l'attaque semble être une sorte de pont, cette fois-ci pour venir à 40 km. Donc il faut s'interroger. C'est soit c'est un autre groupe, peut-être une infiltration, jusqu'à à côté de Niamey. Soit c'est maintenant, il faut chercher peut-être euh, d'autres euh, éléments euh, qui n'ont rien à voir avec euh, les groupes armés du Nord Mali. Et là, c'est une inquiétude. Parce que le fait qu'ils traversent toute cette zone qu'on peut appeler tampon et se retrouver à 40 km, euh, il y a une stratégie, il y a une vigilance à, redoubler. Si encore, il, ne faut pas exclure d'autres mouvements qui n'ont rien à voir peut-être avec le Normali et qui, qui ne traversent pas cette zone. Sinon, c'est incompréhensible vu les moyens déployés là-bas et vu la vigilance euh, qu'il y a que des motos. On sait que la zone, euh, elle est interdite de circuler à moto. Mais voilà, ils se sont retrouvés. À cause de la situation de l'état euh, d'urgence. De, l'état d'urgence. Ça veut dire que certainement, ils ne viennent pas de cette localité. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut déployer assez de, de moyens et, de stratégies. Maintenant, ne pas seulement se focaliser sur cette zone-là. Si on peut se faufiler jusqu'à 40 km de Niamey, ça veut dire que il y a d'autres poches de, de, euh, peut-être fragiles qu'il faut contrôler pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres euh, groupes armés qui n'ont rien à voir avec le Nord Et là, si c'est avéré, c'est inquiétant. Alage Mohamedou Souleyman, que faut-il retenir par rapport à cette nouvelle attaque qui a malheureusement endeuillé des familles au Niger euh, Franchement, la question de la proximité de Niamey n'est pas du tout un indicateur. Euh, je veux dire que récemment à Ouaga, c'est même euh, au, au, cœur de l'état-major qu'ils ont agi et l'ambassade de France. Donc, euh, de ce point de vue-là, il faut dire que les terroristes, leur mode opératoire, euh, c'est effectivement il essaie de surprendre. Il se prépare, se donne le temps et les moyens justement pour surprendre. Donc de ce point de vue-là, même à Niamey, il peut frapper. Parce qu'en réalité, n'oublions pas que en fait, c'est des gens qu'on ne voit pas, souvent qui sont même en fait avec nous. Donc on ne connaît pas leur visage ils ont des complicités souvent parce que simplement euh, leur stratégie consiste à surprendre, en tout cas à se cacher, à préparer une action. Mohamed Souleymane euh, se déplacer avec une arme sans pour autant euh, qu'on t'identifie Mais justement, ce que je suis en train de dire, qu'en réalité, ils sont cachés euh, par des stratégies propres à eux Maintenant, la question, effectivement, euh, vous savez, à un certain moment, il y a eu quelques difficultés de vérité de, considérer qu'il y a de complicité au niveau des populations, même euh, ce qui a fait polémique. Euh, moi, je pense que on, voit que il est très important que, franchement, parce que les renseignements dont on parle, qu'il faut des renseignements, mais aussi c'est la population qui doit aussi contribuer pour se sécuriser. Parce que j'avoue que lorsque euh, on peut laisser. Euh, pour cela, donc, il faut intensifier la communication. La communication. En, direction de mais ces ici, populations. le plus important, faire appel au sens du civisme des citoyens que véritablement on ne peut pas, on peut pas cautionner ou du moins être complice des gens qui ne visent que vraiment du mal au pays. Parce que simplement, on ne peut pas tirer profit avec les des gens qui ont une télévision une vision sombre. Et vous voyez, euh, chaque fois maintenant qu'ils font euh, leur coup, maintenant, ce qu'ils attendent, les faits c'est la communication. Pendant que euh, nous sommes en train de débattre, nous sommes en train tout simplement de nous apitoyer sur la situation et maintenant elle, prépare un autre coup. Donc vraiment, je pense que la question de sécurité, encore une fois, tout le monde est interpellé. Il faudrait que, parce que nous avons tendance effectivement à dénoncer euh, les partenaires, en tout cas, coopérants militaires qui sont là, qu'on appelle base militaire, on compte trop sur eux, mais en réalité aussi en amont, si seulement aussi notre fibre patriotique, en tout cas, euh, on la met en branle, on pourrait aider véritablement nos FDS, en tout cas, à se renseigner pour nous protéger, pour se protéger elles-mêmes. Alayé Mohamed Souleymane, ce que la population ne comprend pas, comment des individus euh, non armés euh, viennent euh, attaquer des paisibles citoyens et, non, non, non, disparaître. selon nos informations, elles ont visé la, nature. Et c'est cela, en réalité, qui, qui, doit en fait inquiéter. Souvent, elles ciblent en tout cas, les, gens qui sont en poste au niveau, donc, peut-être qu'ils savent c'est à deux heures ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vigilance ou bien il n'y a pas beaucoup de, monde mais ils font un coup parce qu'arrêtez aussi chaque fois que les terroristes en tout cas frappent sur les forces, sur les FDS, ça panique les citoyens parce qu'on se dit que mais si c'est la hausse attaquer les forces de défense et de sécurité, et nous autres, simples citoyens. Donc, vous voyez, c'est aussi une opération de communication, et de charme, en tout cas, pour montrer qu'ils sont terribles, ils sont dangereux. Mais en réalité, c'est des gens qui ont toujours, en tout cas, procédé de cette façon, en réalité, faire un truc, en tout cas, donc, euh, simplement pour se prendre. Mais, à, la vérité, je pense que, euh, moi, de mon point de vue, il est urgent, en tout cas, à ce que tout le monde, euh, franchement parlant, se dise que, aujourd'hui, notre situation elle est très précaire et par conséquent, avec l'insécurité actuelle, tout en tout cas peut être remis en cause parce que simplement, euh, on, l'a vu récemment au Burkina, euh, franchement, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au Burkina peut pas se passer au, Niger. Récemment, je, quand je suis passé un peu vers la route de la présence là, euh, je dis effectivement, nous boudons beaucoup en tout cas que euh, les trucs là pour, passer en tout cas euh, mais en réalité souvent quand on pense effectivement que les gens peuvent être amenés à aller à l'état major ou bien aller au, palais frapper effectivement on se voit que véritablement il n'y a rien de trop euh, en, matière de sécurité Issa est-ce là une source d'inquiétude pour les Nigériens comment faire pour ne pas succomber dans la psychose eh écoutez on est déjà inquiet mais d'abord, tout avant de commencer, je présente mes condoléances à toute la nation nigérienne et les familles des disparus. Ces 20 soldats à l'exercice, dans l'exercice de leurs fonctions qui sont tombés sur le champ d'honneur. Je pense que nous devrons euh, leur rendre hommage, mais j'étais quand même surpris à ce qu'on ne puisse pas décréter un deuil national à la mémoire de ces gens. Je ne sais pas ce qui a manqué un peu, et puis il y a eu un peu de retard sur la visite un peu des autorités sur les lieux du théâtre. Euh, moi, pour moi, c'est comme si c'est Niamey qui était frappé. 40 km, c'est déjà Niamey. Parce que quand vous connaissez un peu euh, cette zone, vous savez que les lotissements ont presque atteint Goubé. C'est Niamey. Niamey est en train de subir euh, une attaque euh, encore après celle qu'on a connue au niveau de la prison civile de Niamey. L'inquiétude, elle est là. Mais quand même, il faut essayer de, creuser un peu au fond. Ouaga, qu'est-ce qui s'est passé C'était nos chefs d'état-major qui étaient, du G5 Sahel qui étaient à réunion, que ces gens-là ont visé. Ils ont voulu nous décapiter. C'est-à-dire que c'est notre puissance militaire qu'ils ont voulu finir avec. Au Niger, j'aurais voulu que vous fassiez un peu le lien juste après ce sujet qu'on puisse débattre de l'arrivée de Colombe. Moi, je fais le lien. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des réunions, on a des attaques Alors qui entend de jouer avec nos euh, pays du G5 Sahel Qui veut que nous vivons dans la psychose générale Qui veut maintenant anéantir les efforts consentis par nos États dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Parce qu'il est inconcevable. Vous savez, quand vous connaissez un peu très bien cette zone, euh, l'opération Dongo qui est là-bas, qui contrôle la mise en œuvre, l'opérationnalisation de l'état d'urgence, doivent éteindre ces, ces activités jusqu'au niveau de Goubé, Mais une zone où il est interdit de circuler, des jeunes arrivent en moto. Ils ont eu le temps de déposer leur moto de, progresser. non, selon les témoignages, ils ont progressé jusqu'au niveau du poste, du détachement. Ça, c'est une inquiétude. Et au-delà de ça, comment se fait-il que euh, à une heure, là aussi, il faudrait que la promptitude y soit, parce qu'il y a un important dispositif qui se trouve à quelques kilomètres de là-bas, parce que euh, Goubet jusqu'à Walam, non, parce que vu l'état de la route, quand même, c'est vrai, il y a une partie qui est dégradée, qui est un peu coupée depuis quelques années, mais quand même, on ne peut pas attendre jusqu'aux environs de 0 heure pour venir, parce que l'attaque a commencé à des heures raisonnables. Au-delà de, si j'ai bien ou selon les témoignages. Vous pensez que ces bandits-là doivent être poursuivis et neutralisés Non, on peut quand même venir euh, au secours de ces gens. Quand même, si et puis les hélicoptères peuvent détacher. Mais l'inquiétude que moi j'ai, c'est quand des gens se permettent aujourd'hui de s'attaquer uniquement euh, euh, aux, forces, de, défense, et de, sécurité. Ce n'est pas le même cas que ces bandits-là que nous réduisons, dont nous voulons faire la guerre avec eux. Parce qu'il y a un monsieur, que celui qui a tué les Américains, ce monsieur, il est très dangereux. Moi, s'il y a quelqu'un qui me fait peur aujourd'hui dans toute cette dynamique de lutte contre euh, le terrorisme, c'est El-Sharawi. Vous avez vu comment il a fait Avec savoir tué les Américains, il a pris tout le matériel qu'ils ont et il s'est permis même de diffuser la vidéo. Voyez-vous la dangerosité de ces hommes qui, les mêmes gars, se sont attaqués à le chef d'état-major. N'eût été qu'ils n'ont pas eu la force. Parce que l'attaque de l'état-major de, Ouagadougou au niveau du Burkina Faso, c'était le chef d'état-major. Tout cela, c'est votre inquiétude. Comment faire euh, pour que les Nigériens ne tombent pas dans la piscose C'est ce que Alaj Mahmoud a dit tout à l'heure. Chacun a sa partition à jouer il ne faut pas toujours attendre parce que moi, quand, par exemple, dans certaines situations, on appelle directement le chef d'État chef à intervenir. Non, nous avons un gouvernement. Il a délégué déjà ses pouvoirs, ses missions. Au-delà de ça, chaque citoyen devrait jouer sa partition. Mais vous savez, dans les zones-là, euh, vous connaissez un peu la situation sociale au niveau où la pauvreté, il n'y a pas assez de gens, c'est des périodes... endémique. Hein. Oui, c'est endémique, c'est des périodes où il n'y a pas assez de gens, les gens sont partis en exode. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas tout à fait... Parce que quand vous voyez même, c'est uniquement des veillards et des enfants qui sont là, euh, les les bravalés sont partis en exode. Voyez-vous un peu, c'est ça. Mais quand même, nous ne devrons pas tout de même lâcher. Nous devrons aussi être vigilants. Euh, selon vous, il y a tout un travail de fond qui, qui, qui, qui doit se faire. Euh, moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Ces forces de défense euh, la coopération, l'interaction entre les forces de défense et de sécurité doit être vraiment une réalité au Niger. Parce qu'il faut que nos populations aient confiance d'abord à nos forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas qu'ils perçoivent l'insécurité envers eux. C'est pour cela, euh, par exemple, la région de Walam, euh, le nord jusqu'à la bande, de la jusqu'à Ayaru a une spécificité par rapport à Difa. Parce que là-bas, ce qui est en train de se passer, c'est une catastrophe humanitaire. Il n'y a même pas un semblant de vie les marchés sont fermés et tout. Donc il faudrait un travail. Parce que les gens sont frustrés, ils n'ont pas de quoi manger, leur activité, il faut, il faut un relèvement. Il faut le relèvement de ces gens. Donc c'est quoi C'est pour cela que je suis d'accord avec l'Alliance du Sahel qui veut investir dans le développement indépendamment de la force militaire chez 5 Sahel, il y a l'Alliance du Sahel qui va investir dans le développement. C'est des initiatives qu'il faut encourager parce qu'au-delà, ça va mettre en confiance les populations et vous verrez, tant que, je l'ai toujours répété, tant que chacun joue sa partition, vous verrez que au moment des attaques, des déplacements suspects, les gens seront informés à temps. C'est pour ça qu'il faut mettre des numéros verts. Moi, je souhaitais toujours souhaité qu'il y ait des numéros verts que dès que vous sentez quelque chose qui est inhabituel, pouvez taper cela. Parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication dans les villages les plus reculés, pouvaient trouver des téléphones. Même si encore la couverture reste des, euh, euh, des euh, on appelle, pas tout à fait une réalité. Dans plusieurs communes du Niger, sur les 266, on a tout à fait 100 et quelques seulement qui sont couvertes. Mais quand même, il y a une grande partie qui arrive à avoir le réseau. Moi, je pense qu'il faudrait repenser encore euh, la stratégie, mais nous pouvons venir à bout. C'est vrai, c'est des gens, c'est une guerre asymétrique, c'est des gens qui sont dangereux, mais quand même, nous pouvons amoindrir euh, un peu les attaques. Et aussi, il faut que les partenaires techniques et financiers là s'activent à ce que euh, l'opérationnalisation de la force G5 Sahel soit vraiment sur le terrain dans les plus brefs délais. Crise à l'université Abdou de Niamey. Et mercredi dernier, le conseil de l'université a décidé de l'exclusion de cinq euh, responsables estudiantins, dont le secrétaire général de Lyonoun Sita Gabri, et son adjoint Salah Akela. Dans une déclaration rendue publique hier, l'Union des scolaires nigériens, l'UNUN, l'UEPTN et la section lycée et collège rejettent et condamnent la décision du Conseil de l'université. Sita Gabri est le secrétaire général du l'UNUN. On l'écoute la décision prise par les conseils est un non-événement. Dans la mesure où enseignants-chercheurs qu'ils sont, ils sont incapables d'avoir la matière grise nécessaire, de pouvoir appliquer ne serait-ce que les textes qui sont devant eux. Nous estimons qu'ils sont tombés dans la précipitation. En nous sanctionnant sans tenir compte des textes, ils nous ont sanctionnés sur Les faits, vous les connaissez. L'enseignant en question parle d'une agression verbale, mais les SNEX parlent d'une agression physique, que l'enseignant a été tabassé. Au conseil, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Nous sommes partis au conseil, nous sommes représentés par sept camarades. Du point de vue texte, il y a deux votes à faire, sinon plusieurs votes. Et il se trouve que puisque les recteurs étaient pressés à ce qu'on sanctionne, on a sauté la première étape. La première étape, c'est quoi Il y a cinq catégories de sanctions prévues, sanctions disciplinaires prévues il y a l'avertissement. À l'ESN, nous sommes une famille. Le CD a répondu de façon prompte. C'est pourquoi le comité directeur est là à Pétain a répondu de façon prompte. C'est pourquoi elle est là à nos côtés. La section lycéenne et collégienne a répondu de façon prompte. C'est pourquoi elle est là à nos côtés. mieux, chers camarades, cette fois-ci, même le Conseil national de la jeunesse est avec nous. Et donc, les scolaires constituent une famille mais au-delà, la jeunesse nigérienne constitue une femme. Issa Madougou, la décision du Conseil de l'Université de Niamey est-elle une surprise pour vous Pas du tout. Parce que moi, j'avais au départ fait une analyse par rapport à cette situation. Parce que je voyais qu'avec toutes les tentatives de négociation de ramener les deux parties. C'est vrai, il y a eu des errements. Par exemple, le fait que l'USN les assigne en justice, moi, n'ai pas voulu cela. J'ai voulu vraiment à ce qu'il y ait, qu'ils continuent dans leur dynamique de, vouloir aller dialoguer avec ces gens-là. Ils ont, cherché. mais c'est pour cela. Moi, je, par rapport à cette situation, là où on est arrivé, je fais des analyses. Premièrement, c'est comme s'il y a des gens qui voulaient qu'il y ait une année blanche parmi ces enseignants-chercheurs, année blanche au niveau de l'Université de Niamey et de porter la responsabilité sur le gouvernement. Deuxièmement, il y a des gens qui sont tellement radicales c'est pour des questions financières, ils veulent qu'il n'y ait plus cours pour qu'ils puissent aller enseigner ailleurs. Voyez-vous, c'est pour cela que aujourd'hui le ministère, depuis un certain temps, si vous vous rappelez, euh, avec la transition militaire, les réformes que le ministre Danda a voulu amener à l'université, pourquoi bon sang au Niger On est contre les réformes. Et nous voulons aller de l'avant. Voilà un pouvoir, un tout puissant, euh, euh, euh, comme on appelle, outil, qui au lieu de se mettre au service du développement, se met au service de la décapitation d'une couche qui constitue l'avenir du Issa sans vous couper, ce que la population ne comprend pas, c'est le silence, le mythisme du gouvernement. Moi, je pense que le gouvernement va réagir le plus tôt possible parce que le gouvernement n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est vrai la déclaration qu'ils ont rendue publique hier, les, les étudiants, je suis d'accord avec eux. Parce que les gens attendaient à ce qu'ils disent, oh non, on va durcir le temps, pour encore que les enseignants aient euh, encore la voix pour dire voilà ce que nous sommes en train de les accuser. Le fait de rejeter dans le respect des règles c'est une bonne chose. C'est une attitude vraiment responsable de la part des étudiants. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, mieux, on a vu que ces enseignants-chercheurs, aujourd'hui, d'ailleurs, on se pose la question, quelle est leur contribution dans l'effort de la construction nationale Quand on a, mis pour que des questions de transparence, de l'efficacité de la dépense publique, on les a ramenés au niveau du euh, au niveau de, de de trésor. Ce ne sont pas eux là qui se sont encoquinés avec les étudiants le personnel administratif pour, pour, engager une lutte. Parce que vous voyez, vous, ces gens-là, là où c'est vraiment, en tant que parents et enseignants, on ne peut pas continuer dans cette tendance. Ils devront vraiment réfléchir. Mais comme il y a des radicaux et des extrémistes entre, au sein d'eux qui ont deux visions, ce que j'avais eu à énumérer, certains ne veulent pas qu'il y ait des cours, pour dire ah l'école nigérienne voilà c'est tombé du primaire jusqu'au lycée. Bon, c'est le gouvernement qui est responsable. Deuxièmement, ceux, qui ont euh, l'esprit vraiment euh, très euh, tiré vers l'aspect pécuniaire je prends mon avion, je vais aller dispenser le cours. Pendant que tu as sanctionné, tu es en train d'hypothéquer l'avenir des futurs enfants du Niger, ceux qui sont, auront la responsabilité demain de construire, de gérer ce pays. Mais bon sang, il faut que le gouvernement réagisse. Trop, c'est trop. Elhaji Mohamed Suleiman, que faut-il retenir dans cette crise qui, si l'on y prend garde, risquerait de paralyser l'école nigérienne ben, En analyse de la situation euh, à l'université, je commencerai par dire que c'est assez regrettable qu'on est arrivé là où nous sommes euh, présentement. On avait pensé que l'université étant le temple du savoir euh, et vraiment de la rationalité, on a pensé que le débat, la discussion allait prévaloir la justement, surtout. la sagesse surtout, pour qu'on puisse vraiment éviter d'aller en procès, éviter aussi d'aller à, la solution des, étudiants. Mais euh, en tout cas, franchement, euh, moi, j'essaie je, je, autant que faire se peut d'éviter vraiment le populisme. Il s'agit ici de dire la vérité aux uns et aux autres. Euh, vous savez, comme on dit, on casse la, casse la calebasse à deux. Mhm les étudiants ont une part de responsabilité de ce qui est advenu, tout comme les enseignants chercheurs, effectivement, ont quand même euh, monté la, barre très, très, haute euh, dans la Je commencerai euh, par les étudiants. J'avais suivi cette, cette, situation où, par exemple, lorsque l'enseignant-chercheur, en fait, il est quitté, il est allé à la fac, ils l'ont poursuivi euh, de l'opter parce que, quel que soit ce qu'un enseignant a, fait, vous avez fait ce que vous avez fait sur le, sur le terrain, vous ne pouvez pas poursuivre votre ancien chercheur euh, pour vraiment chercher à l'humilier ou bien à, à, le sanctionner. Autrement dit, parce que simplement, je considère que l'armée et l'école, la discipline doit être de règle. Quand il n'y a pas de discipline dans l'armée ou bien à l'école, c'est des indicateurs que c'est grave pour un pays. Mais cet incident est survenu à un moment où euh, les, les, euh, du université de, sortaient. Laisse-moi, euh, j'ai mis en avant, en tout cas, ma, ma perception la de, la, la, discipline. Et pour vous dire que lorsque j'ai suivi le point de presse des étudiants, ce nous ont appelé leur excuse, mais c'est un tract, en tout cas, franchement parlant, qui visait à vilipender, en tout cas, un certain les enseignants-chercheurs, pas, un, pas des excuses. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, je suis en train de dire qu'effectivement, voilà l'état des étudiants. Ils ne sont pas innocents de ce, ce, qui, est arrivé. Maintenant, du côté des anciens chercheurs, euh, j'ai observé que, euh, franchement, ils n'étaient pas réalistes parce que vous ne pouvez pas exclure les étudiants au niveau des instances euh, de décision sur la vie des étudiants. C'est trop sévère la sanction. C'est très sévère, mais aussi la grève qu'ils ont, que, la qu'ils ont engagée illimitée, il y a en tout cas, n'était pas réaliste. Maintenant, donc, euh, le conseil de l'université a produit ce, qui est arrivé. Il y a une situation qui, est là qu'il faut gérer. Donc, euh, moi, en tout cas, je pense que euh, c'est regrettable. J'aurais pensé, en tout cas, on aurait aimé que la situation trouve, qu'on trouve vraiment une solution vraiment acceptable de tous. Et c'est pourquoi, quelle que soit la crise dans le pays, on voit qu'effectivement, lorsqu'on ne met pas en avant le dialogue et vraiment la bonne compréhension, on peut toujours aboutir à des situations regrettables comme celle-ci. Voilà pourquoi, moi de mon point de vue, quel que soit le problème dans le pays, quelle que soit la situation, il faut vraiment faire le courage de dialoguer, de discuter, parce que c'est la solution, en tout cas humaine pour le moment, la plus acceptable pour trouver le, conflit. Mais à euh, il n'y a pas de dialogue, Alaï Mohamed Suleiman, euh, moi je pense, euh, dans, les années dans, relativement euh, récentes, euh, il y a l'autre là, Djibril Abarchi, qui a été euh, dans le même problème. il a tout récemment, tout, récemment, euh, Elisabeth Sherif. Euh, elle a eu le même problème, mais lui, euh, elle, elle n'a pas été soutenue par euh, ses enseignants-chercheurs. bon, vous savez, comme dirait l'autre, je me rends compte qu'il y a toujours. Là, j'ai raison, il faut, il, faut, il, faut, il faut privilégier le dialogue. Le dialogue. Parce que même les institutions, la CNDH. Vous n'avez pas la parole, ça, je vous la donner. le, dialogue, un peu en, en, réalité, moi, j'ai dit que enseignants et étudiants, ils ont failli parce que, eux qui doivent être un modèle, en tout cas pour la nation, ils ont failli. Je pense présentement à certains euh, collègues. Euh, en tout cas, je sais que, en tout cas, c'est pas de guetter de cœur, on est arrivé à cette situation. Et franchement, parce qu'arrêtez, quand, quand, on met ça, il faut éviter, faire attention aux extrémistes, quoi. Dans, chaque groupe, en tout cas, si on suit les extrémistes, on aboutit effectivement aux situations regrettables. Aujourd'hui, vous voyez, euh, j'ai suivi la déclaration hier des, des, des, étudiants. Autrement dit, il créer une situation de de Sourou Donc, ce qui fait que on va, en temps vraiment vers l'irréparable, comme on dit. Jafar Mahman, euh, Issa l'a dit, euh, Alaji Mohamedou Suleiman l'a dit, s'achemine-t-on vers euh, une nouvelle année blanche au Niger bon, Si, si rien n'a été fait par le gouvernement, puisqu'il faut dire que depuis des années, c'est une situation qui a rattrapé l'état du Niger de façon générale. Il fut un moment où euh, le Senex et, et, euh, se considèrent comme des entités à part entière dans un, dans, un pays. Euh, et on constate que de jour en jour, ils sont arrivés à des extrêmes. Ce n'est plus l'intelligence, ce n'est plus la sagesse. qui, en termes de connaissances, qui parle, mais c'est plutôt l'ego. Et c'est là où c'est grave quand dans un milieu aussi académique, universitaire, intellectuel, euh, intellectuel euh, au niveau du SNEX, intellectuel en miniature au niveau de l'UNUN, on, met ses égaux au devant, son ego au devant du, euh, de, savoir-faire, du dialogue, de la tolérance, c'est grave. Euh, l'a dit, je ne reviens pas sur le comportement des étudiants. Je l'ai toujours dit. Je, c'est le comportement qu'on a animé hein, à un certain moment. Mais on n'est plus dans le même contexte où on se considère comme super citoyen, où sur, un goudron, on estime qu'on doit passer d'abord avant un autre citoyen, alors qu'il a participé même à, son, revenu à participer à la construction de, de ces infrastructures-là. Il y a euh, une certaine civilité à adopter de part des étudiants qui n'a peut-être que à une certaine époque c'est acceptable, mais aujourd'hui où nous avons toutes d'autres facilités comme ce plateau-là. Il y a des choses à, revoir. Maintenant, le, SNEX, le euh, euh, on a tardé à constater, je pense que Issa l'a dit, à un certain moment, l'occasion de ramener la sérénité au, sein de l'espace universitaire, c'était la réforme de l'ANDA et on a vu comment ils se sont opposés. Et là aussi, c'est un comportement de go. Moi, je pense que le gouvernement doit jouer un rôle important dans la réforme de nos institutions, y compris universelles. Parce qu'on fait quoi on ne peut, Même l'armée, à la réforme. Mais on ne peut pas dire que l'université ne peut pas se réformer parce qu'elle parce est l'otage d'un syndicat ou elle est l'otage des syndicats. Ce n'est pas possible. Il y a des comportements qui ne relèvent pas de, l'universitaire, qui ne relèvent pas de l'intellectuel. Issa Madougou, rapidement, C'est-à-dire, aujourd'hui, il est regrettable de voir que des enseignants-chercheurs qui minimisent même leur tutelle, même le ministre de l'enseignement supérieur, quand vous causez un à un avec certains, ils vous disent que ça, c'est regrettable ce qui s'est en train de se passer. Mais comme il y a, euh, tout à l'heure, quand il y a tellement d'extrémistes, quand vous les laissez vous dominer, vous allez arriver à des situations. Voilà ce blocus. Vous savez que les enseignants sociaux vont dire, nous, on ne va jamais revenir sur ça et les étudiants. Voyez-vous le blocus que ça va amener c'est comme si certains sont en train de... Parce qu'il faudrait voir au Niger, là où on est arrivé, chacun a son dessin, son propre dessin dans une situation. Et c'est là où que c'est déjà le comportement qu'on doit combattre. Parce que ça, là, ça en train de, de, ternir l'image de notre pays, donc il faut qu'on arrête ça. Ces enseignants-chercheurs, en tant qu'enseignants et pères, doivent revoir leur position parce qu'aujourd'hui, si ces enfants sont en train d'échouer, c'est de leur responsabilité. Dans une déclaration rendue publique mercredi, le collectif des organisations de la société civile nigérienne qui proteste contre la loi de finances 2018 a décidé de sursoir au mot d'ordre de journée ville morte prévu hier jeudi 15 mars sur toute l'étendue du territoire national. Malgré cette décision du collectif, l'opération ville morte a été suivie à Tilaberi. Alzuma Imero est l'un des organisateurs de l'opération ville morte à Tilaberi. On l'écoute. Donc la ville morte a marché à 100% presque, sinon 99%. Il suffit de faire le tour de la ville, vous ne pouvez pas avoir du café, du lait, du pain, de la viande. En tout cas, la population a suivi la ville morte à 100%. Nous tenons à dire au gouvernement ceci. certaines dispositions de la loi de finances, nous les rejetons. Et nous allons continuer à les rejeter jusqu'à ce que le gouvernement abroge cette loi de finances. Et nous avons plein de stratégies. Nous pensons que nous sommes en démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc c'est le peuple qui demande l'abrogation eh, de la loi de finances. Les dispositions que les OSC ont décriées nous prions que le gouvernement va nous appeler afin que nous discutons parce que le Niger appartient à tous les Nigériens. Il est hors de question qu'un groupe de Nigériens pense qu'ils peuvent, tout faire à la place des autres Nigériens. Et la lutte continue. Alaji Mohamed Suleiman, comment expliquer cette euh, opération ville morte à Telabiri alors même que les initiateurs ont décidé du report de ce mort d'ordre pour une euh, date ultérieure euh, Je pense simplement il y a soit euh, l'information n'est pas bien passée, soit à une indiscipline caractérisée et ce qui est de nature franchement à entacher la cohésion ou la cohérence du mouvement social. Parce que je pense que c'est un indicateur aussi que les organisateurs, en tout cas les, leaders de la société, doivent en tout cas tenir compte qu'ils doivent rappeler à, l'ordre la direction en tout cas du mouvement à Tilaberi parce que quand même, euh, c'est des situations comme ça qui peuvent euh, effectivement faire échouer, précipiter en tout cas l'échec du, mouvement. Imaginez par exemple, euh, si c'était par exemple un mouvement où on vient que les jeunes désobéissent à la direction. Tout le monde a effectivement, on a en tout cas suivi à travers les médias, c'est un point de presse, en tout cas un communiqué officiel des leaders du mouvement qui demandait en tout cas aux jeunes que la ville de ce soir se reportée donc si de l'autre côté les gens arrivent à le faire, franchement, c'est une indiscipline. En tout cas, je pense que les jeunes doivent tirer euh, les leçons de cette euh, situation ça fait un peu de l'incohérence et ce n'est pas bon pour l'image du, mouvement. Issa Madougou, quels sont les vrais motifs du report de l'opération Ville Morte au Niger Mais car moi, je ne peux pas me placer <laughs> dans la situation. Mais vous avez suivi, ils ont annulé un point ils ont Donné pour dire que c'est l'impréparation. Et c'est leur point de vue, cela, c'est leur euh, raison pour avoir euh, euh, repoussé. Parce que la date qu'ils ont choisie, moi, je pense que ça a été, l'annonce a été faite le 11 mars lors de la journée d'action citoyenne. Et parce que le 15 mars, c'est une significatif, c'est la journée internationale des consommateurs. Peut-être c'est l'occasion qu'ils ont voulu saisir. Mais euh, après concertation, comme ils les ont dit, l'information n'a pas pu passer parce qu'il faudrait voir qu'il y a toujours un déficit d'information par rapport aux mouvements sociaux et ce qui amène que parfois il y a plus d'intox que d'explications pour qu'il y ait un réveil citoyen. Diaformaman, quelle lecture faites-vous rapidement de tous ces événements oui, euh, <clears throat> moi ce que je vois, ce n'est pas l'opportunité euh, de reporter ou de faire, mais c'est l'efficacité. Euh, à, cette date-là, je pense que il y a il y a il y a nécessité peut-être de, de repenser les, les différentes stratégies, puisque jusqu'à présent c'est des marches, c'est des marches euh, même euh, l'opération Ville Morte, euh, c'est une tradition, ça s'est fait après plusieurs matchs, on lance. Mais lorsque ça ne paye pas, il faut aussi aller vers... on revient pour le, comme pour le cas de l'université. Hein. Il, faut que les gens, il faut que les gens acceptent de dialoguer. Même pour refuser, on peut dialoguer mais on ne peut pas continuer à, à, chacun de son côté et surtout, euh, moi, je, conseillerais aux OSC euh, d'aller vers des, forums où ils doivent expliquer à leur tour, puisque ravirent même la devette au gouvernement, puisque le gouvernement n'a pas pu expliquer la loi de finances. Peut-être que eux, ils peuvent euh, expliquer certains aspects de, de, cette loi de finances et que ça peut porter fruit pour que les citoyens eux-mêmes s'organisent. Moi, je pense que le plus important, c'est pas sortir les gens et contester, c'est plutôt expliquer aux citoyens. En tant que journaliste, moi, je, ce qui m'intéresse, c'est même cette loi. Quel qu'en soit son, son, euh, euh incohérence, ses méfaits, il faut que les citoyens euh, la comprennent. sachent de, quoi, il s'agit. Maintenant, c'est à eux de faire une opinion et ça peut faciliter aux OSC le travail. Le ministre français de l'Intérieur Gérard Colombe séjourna à Niamey au Niger. Ce vendredi, il participe à une réunion internationale sur la coordination pour la lutte contre les réseaux de trafiquants deux migrants avec les représentants des pays sahéliens africains, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Libye et européens, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Issa rapidement. Encore une autre réunion internationale à Niamey sur la migration et ses conséquences. Est-ce une rencontre détro sur la migration? Non, mais moi, ce n'est pas que je vois un peu une rencontre de trop. Il faut que les gens aient de temps en temps des rencontres pour céder les quatre vérités parce qu'ils nous ont tellement blasés, ils nous ont mis dans une situation confortable et nos pays ont accepté aveuglement comme ça. Vous avez vu comment au Niger on a fait des progrès, mais où sont ceux qui nous ont promis pour que ces gens dont on a, euh, on a mis fin à leur activité pour qu'ils puissent se retrouver dans d'autres activités Où sont les promesses vous venez, vous nous installez des trucs de, police européenne à Agadez qui sont en train dans la répression. D'ailleurs même, Colombe, son arrivée, ça vient. Vous savez que tout récemment, lui aussi, il a fait voter un projet de loi qui vraiment démontre que là-bas même, ils n'ont plus considération pour nous. Alors, ils ne veulent pas que les gens viennent. Venez soutenir les actions de développement. Quel réseau de trafiquants qui sont en train de les nourrir. Est-ce que nous, en Afrique, nous fabriquons des armes, nous fabriquons des véhicules Rien de tout cela. C'est parce que les conditions de vie des Africains sont précaires, c'est pour cela que les gens veulent partir. Il faut que aussi nos chefs d'État soient réalistes. Des rencontres sur des rencontres. Si les gens ne veulent pas que nos frères, nos sœurs arrivent à leur porte, qu'ils amènent ce qu'ils nous ont pris en Afrique on les investit dans le, développement, on n'ira jamais. Et il faut que eux aussi, qu'ils soient sincères avec les populations africaines. Il faut que qu'ils soient directs avec nos chefs d'État, parce que si certains chefs d'État refusent de recruter leur peuple, il faut que eux, ils soient les gendarmes, parce que le plus souvent, c'est à eux qu'ils rendent compte pour qu'ils prennent la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Et comme ça, nous aurons euh, nous aurons des résultats concrets pour mettre fin à cette immigration massive dont certains s'enrichissent sur les pauvres. Euh, euh, euh, pourquoi le choix de Niamey pour abriter une telle réunion Il faut dire que le Niger, le Niger quel qu'en soit le. En, tout cas, en ce qui est de la migration, le Niger constitue un pays de départ, un hein. pays de, départ un pays de transit. Hein. Un pays de, de, transit et aussi un pays stratégique puisque le Niger a pris le devant de poser le débat sur, euh, sur la table sur la question de la migration. Mais ce qui me dérange moi le plus, c'est quand je vois c'est les ministres de l'Intérieur qui se réunissent, un ministre de l'Intérieur français, moi j'aurais voulu peut-être un ministre de, de la planification, du développement, du développement un ministre, euh, peut-être un secrétaire d'État aux affaires étrangères pour parler des questions diplomatiques, des enjeux qui puissent euh, améliorer euh, qualitativement et, sur le plan du développement euh, l'aspect la gestion de la migration. Mais lorsqu'on voit la migration avec un ministre, un ministre de l'Intérieur, on, on voit la répression. Et ça, c'est pas, la, répression ne peut pas résoudre la question de la migration. Et moi, je vois déjà aussi un autre aspect, c'est l'échec des, des, politiques africaines. Lorsque on parle de la migration, on parle de la mobilité. Et on sait que les causes de la mobilité, c'est le sous-développement, c'est euh, la défaillance, même la pauvreté, il faut la circonscrire, c'est la défaillance du secteur privé africain. Tant qu'il y aura le secteur privés africains. les Africains resteront sur place et auront des, des préoccupations. Ils n'auront même pas besoin de la fonction publique. Ça, c'est un échec et je ne vois pas en quoi euh, la, question de répression euh, a droit de citer. Alhaji Mohamed Souleyman, quels sont les résultats attendus au cours, euh, à l'issue de cette rencontre ben, d'un point de vue formel, euh, je pense qu'ils euh, sont logiques, euh, les partenaires africains et européens. Vous savez, à la rencontre en Allemagne, il y a eu une autre en novembre dernier à Abidjan. Maintenant, la rencontre de Niamey, c'est pour donc, un cadre de coordination donc, des actions et les moyens donc, à mobiliser donc, en termes de renseignements euh, en termes euh, donc euh, de moyens financiers. Ils sont logiques par rapport à eux-mêmes. De ce point de vue, je pense que il faut aussi dire que cette rencontre de Niamey c'est en plus des ministres de l'Intérieur, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel, donc euh, élargi aux ministres de l'Intérieur européen, donc euh, qui sont venus. Euh, mais moi, je vous dis, sur la question de la migration, c'est assez complexe. J'ai rencontré un couple nigérien, des jeunes gens, une, un, couple. Euh, euh, je voudrais vraiment les, les, interroger, mais vous, vous ne voulez pas qu'en Occident, aujourd'hui, les gens ne veulent pas que vous partiez. En fait, la leçon que j'ai retenue, la volonté comme on dit dans nos langues, ce qui pousse euh, la souris à le feu plus doit être plus chaud que le franchement, malgré tout, je ne désarme pas. Donc la jeunesse africaine euh, défie véritablement cette lutte contre la migration Elle doit effectivement la nécessité de considérer effectivement les moyens d'abord de lutter contre euh, le sous en tout cas pour trouver la solution, comme sur le sait Idouane. Quoi. Voilà, voilà, voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Jafar Mamana, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction euh, du journal en ligne Niger Inter. Nous étions également avec euh, Issa Madougou du groupe de presse radio et télévision en Ténéré. Merci à vous tous euh, de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Ada Maman pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma qui nous parleront du nombre important des centrales syndicales au Niger. Merci, au revoir.